le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez à Niamey dans l'ensemble des chefs-lieux des régions à travers le réseau des radios partenaires, 20 radios dans les chefs-lieux de région ainsi que dans les localités d'Arlit, Filingué, Birnigaoré, tyrosérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel, Mainessois et Saï. Il est 18h15 minutes. Les programmes se poursuivent. Le forum du vendredi, votre rendez-vous hebdomadaire, c'est du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Nos invités ce soir, Roufaï Dandois, journaliste indépendant. Roufaï, bonsoir. Bonsoir Marie. Ousseini Issa Jibou, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à un autre Rémi Abba Kari, journaliste à la radio et au journal Alternative. Voici ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité de la semaine. La question de la migration dans la région d'Agadez, un groupe de 17 migrants, tous des hommes marchant à pied en direction de l'Algérie, intercepté la semaine dernière par une patrouille des forces de défense de sécurité FDS du département d'Arlit dans la zone d'Assamaka, village situé à 15 kilomètres de la frontière algérienne. Dans ce forum également, la question de l'interpellation le 15 mai dernier du président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, alliance des partis de l'opposition Amadou Jibo Dimax par la police judiciaire. Il est actuellement écroué à la prison de Niamey et sera jugé en flagrant délit la semaine prochaine. Une autre interpellation à Agadez dans la nuit du 13 au 14 mai. Aux environs de 2 heures du matin, la police a interpellé Abdurrahman Ensar, secrétaire à la communication du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme région d'Agadez, ONG spécialisée dans la défense des droits de l'homme. Il est aussi déféré en prison clôture avant-hier mercredi du symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des répentis de Boko Haram organisé par l'université de Difa y ont pris part des chercheurs, des acteurs de la société civile, des professionnels du droit et des experts qui ont pu échanger sur les expériences dans ce domaine. Et puis la panne du dialogue au sujet de l'école algérienne occupe toujours l'actualité. Hier jeudi, un comité élargi comprenant le Premier ministre, l'intersyndical, des travailleurs du Niger et plusieurs autres partenaires de l'éducation ont rencontré les leaders syndicaux pour tenter de désamorcer la crise qui secoue le secteur de l'éducation des discussions qu'on court. Selon le ministre porte-parole du gouvernement Asmana Malam Issa, la question du recrutement et celle de l'évaluation sont les points de désaccord. À l'étranger, en France, la composition du gouvernement d'Édouard Philippe, premier ministre français, est connue depuis mercredi. 18 ministres et 4 secrétaires d'État ont été nommés. Le gouvernement est strictement paritaire avec 11 femmes et 11 hommes L'actualité sportive de ce forum, c'est le début le 14 mai au Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans appelée U17. Si vous nous suivez, si vous venez de nous capter, sachez que vous êtes en direct du studio Kalangou. Très ravi d'être en votre compagnie. Diallo Mariama Kenda au micro. Bonsoir et bienvenue, euh, chers confrères. La question de la migration dans la région d'Agadez, je l'annonçais la semaine dernière, un groupe de 17 migrants, tous des hommes marchant à pied en direction de l'Algérie, a été intercepté par une patrouille des forces de défense et de sécurité FDS du département d'Arlit dans la zone de Asamaka, village situé à 15 km de la frontière algérienne, joint par téléphone par Gungun Maman Dantani, le préfet du département d'Arlit, Nafana Mayadou, explique. La semaine passée, notre patrouille a mis la main sur 17 personnes, tous de nationalité nigérienne, ressortissants de Douti, Tawa, Maradi, qui étaient à pied, certainement attendaient qu'on vienne les chercher. On les a rapatriés à Arlit. Parce que le problème de ces migrants-là, c'est quoi C'est un réseau. Les transporteurs, les passeurs, les prennent d'Arlit ou carrément de Tinta ou de Tawa ou même de Cantier. Ils passent pas là où il y a le contrôle. Ils longent, ils vont dans les dunes à côté de Asamakasela qui les déposent et ceux de l'Algérie viennent les chercher. Propos recueillis par Gungu Maman Dantani. Il y a eu une rencontre entre une mission du réseau parlementaire de lutte contre la migration illégale composée de quatre députés nationaux samedi dernier à Agadez et les acteurs de la migration ainsi que des membres de la société civile, des jeunes et des femmes de la région. Il s'agissait pour la mission de s'informer de la question migratoire à Agadez, le point avec notre correspondant Moussa Maman. La nécessité de créer les réseaux parlementaires de lutte contre la migration illégale s'est très vite imposée étant donné la gravité de la thématique de la migration au Niger. Agadez a longtemps été la plaque tournante de la migration et pour les migrants, la dernière étape avant le désert et les frontières libyennes et algériennes. C'est donc tout naturellement la capitale de l'Aïr qui a été choisie pour accueillir la mission. La députée Amina Saminou Lawali, présidente du réseau, explique la démarche. L'objectif de ce réseau, l'idéal serait de bannir la migration illégale. Donc nous, nous voulons réguler, peut-être tendre même vers une migration légale. À la suite de cette mission, nous avons l'intention d'organiser une journée parlementaire et la finalité de la journée parlementaire sera de revoir la loi déjà existante ou d'en concevoir d'autres au cours de cette réunion, la loi de 2015 qui interdit le trafic illicite des migrants a été contestée par beaucoup de participants. Écoutons Traoré Hamidou, acteur de la société civile à Agadez. Les députés, en votant une loi, doivent d'abord demander aux populations qu'est-ce qu'ils pensent de la loi là avant d'aller voter la loi. Vous avez vu, la loi a été votée, mais la loi là, personne n'est pour la loi. Et c'est ça qui est mauvais. Une loi n'est pas faite pour contrarier inutilement les populations. Une loi est faite pour réglementer une situation. Nous, on n'a pas ce problème de l'immigration au niveau d'Agadez. Le problème se trouve en Europe et c'est l'Europe qui doit prendre les lois pour empêcher l'arrivée à leur, à leur niveau. Ce n'est pas le Niger. Mais seulement cette loi-là, malgré sa fonction Agadez, cette loi-là ne peut pas empêcher la migration. Les migrants viennent et ils vont. Seulement la seule chose, les migrants ont effacé à Agadez leur circuit. Maintenant, avant d'arriver à Agadez, les migrants s'arrêtent en route et ils prennent le contour. Le désert a mille et une portes. On peut à tout moment avoir accès au désert. Les autorités régionales et locales d'Agadez sont en première ligne pour apporter des solutions à ces problèmes. Les défis restent à relever, estime le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloki. Moussa Maman, depuis Agadez, pour le studio Kalangou. Euh, pourquoi, malgré la loi de 2015 relative au trafic illicite des migrants qui prévoit des peines de prison très lourdes pour ceux qui se livrent à cette activité, la migration persiste. Alors, nous commençons par Roufaï Dandoa, journaliste indépendant. Merci Marie. vous savez, en parlant de, de loi sur la migration, moi je pense que cette loi, ce sont les intellectuels qui la connaissent. Lorsque chez toi, tu ne te sens pas bien, Lorsque toutes euh, les voies sont fermées, il n'y a aucune perspective pour l'avenir. Tu tentes d'aller quelque part chercher quelque chose. C'est ça le problème aujourd'hui du Niger. Et il n'y a que les jeunes qui veulent quitter ce pays pour aller chercher un Eldorado. Si c'est si Eldorado il y a, les gens eh, pensent que ce sont des lendemains meilleurs qu'ils partent chercher ailleurs. Mais vous ne pouvez pas empêcher aux gens de quitter tant que vous ne le retrouvez pas un emploi, tant que vous ne retrouvez pas quelque chose pour manger, aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux qui ont... Et, ils ne sont pas nombreux les jeunes de, de, de, de quoi 25, 30 ans qui ont 10 000 francs à la fin du mois. Comment tu peux rester dans un pays où tu sais qu'il n'y a aucune perspective pour l'avenir. Donc, normal que tu tentes l'aventure, quitte maintenant à être euh, euh, rapatrié comme ces jeunes, comme cette trentaine de jeunes qui a, qui a été par euh, les forces de défense et de sécurité, ou comme on le voit toujours et dans les télévisions, on vous embarque dans des bateaux de fortune, vous, en tentant de, de fuir le continent africain via la Libye, via Agadez aussi, pour essayer de rentrer en Europe. Malheureusement, c'est un problème qui est là, mais le problème, le fou, situer la responsabilité. Moi, je pense que la responsabilité se situe au niveau de nos dirigeants qui ne font rien. Ce n'est pas en faisant des lois qu'on va empêcher les gens de, chercher à quitter le pays. Non, c'est en trouvant des lendemains meilleurs dans le pays à ces jeunes pour euh, les occuper, pour leur trouver un travail, pour leur ne serait-ce que des, travaux qui peuvent leur euh, permettre d'avoir de quoi tenter de survivre, puisque c'est cela qu'il s'agit. Alors justement, en, parlant donc euh, euh, de trouver de, de, l'emploi pour ces jeunes, il y a ces mesures d'accompagnement de la lutte euh, contre la, migration, donc des, promesses, pas seulement des promesses, mais un financement qui, est disponible pour freiner cette, cette migration. Arimi, donc, Abba, de la radio et du journal Alternative euh, Bon, moi, j'ai bien entendu parler des mesures d'accompagnement. Euh, que euh, notamment des pays européens ont de l'argent pour trouver de quoi faire aux jeunes qui veulent partir, mais je n'ai l'ai pas vu cet argent-là. Euh, je ne sais pas si vous suivez l'actualité au niveau d'Agadez, euh, ce qui s'appelle euh, les acteurs de la migration, parce que le clament haut et fort, ils en sont euh, fiers au niveau de cette région de notre pays, parce qu'ils se disent que ce n'est pas une activité illégale, comme j'ai entendu une dame le dire tout à l'heure, qu'ils exercent. Ils ont fait une déclaration comme quoi, oui, vous avez emprisonné certains d'entre nous, oui, vous avez pris nos véhicules, oui, on n'a plus de travail, mais vous ne nous avez rien donné en contrepartie. Moi, j'ai vu cette déclaration et j'en ai vu euh, qui le disent vraiment de euh, à qui veut l'entendre. Donc, euh, il n'y a vraiment pas de mesures d'accompagnement. J'ai non seulement séjourné à Agadez, mais aussi dans la région de Zander, euh, notamment à Kanché, où des milliers et des milliers, on estime à 17 000 les Nigériens qui sont revenus, qu'on a fait revenir de l'Algérie. Euh, il n'y a absolument rien. Ils ont l'impression d'être chez eux, mais dans une prison à ciel ouvert. Alors, alors euh, à Barimi, vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, alors que euh, on parle euh, peut-être d'une somme d'environ de 108 millions d'euros qui serait quand même disponible pour ces mesures d'accompagnement. ce fonds peut être disponible. Comment est-ce que les concernés peuvent profiter de, ce, euh, de, cet argent Un, ils ne l'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. leur solution, c'était de partir. Ils sont en train de partir. Leur propre pays n'a pas de quoi mettre à leur disposition, n'a pas de travail pour eux. Ils veulent aller se chercher ailleurs. Est-ce qu'ils ne sont pas impatients peut-être, peut-être un temps pour, pour permettre à l'exécution, par exemple, de ces mesures d'accompagnement Non, écoutez, euh, normalement, c'est une loi. C'est avant de prendre cette décision qu'il faut trouver euh, les, mesures d'accompagnement, les disponibiliser et non on prend la loi et on cherche. L'inverse. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors, Ouseni Issa euh, Jibo, journaliste euh, indépendant, euh, quelles actions faut-il poser urgemment quand on sait que voilà les, activités de migration sont une source de revenus pour ces nombreuses familles bon, Je dis d'abord, je partage entièrement ce que Nandoa comme Arimi vient de dire. Je dis les gens, personne n'a envie de quitter chez lui quand il se sent bien. Quand les gens décident de partir là, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective. Il n'y a aucune alternative. C'est seulement partir. Parce que en espérant que, en allant ailleurs, on peut trouver, en tout cas, des conditions de vie meilleures, on peut mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir soutenir la famille. En réalité, toute cette politique-là, tout ce bruit-là qui est en train d'être fait autour de la migration, c'est parce que tout simplement, le pays, les populations sont en train d'être paupérisées ou ont été paupérisées. Et on veut aujourd'hui faire plaisir à l'Union européenne. C'est nous qui allons être les gardiens, c'est-à-dire on va constituer une frontière pour empêcher aux gens d'aller se chercher. On dit à Pactuc d'Agadez, ce n'est plus possible de pouvoir franchir la frontière tant que vous n'êtes pas dans les dispositions, vous n'avez pas, vous n'avez pas les formalités requises et tout. Mais moi, j'ai dit, quelque part, c'est juste pour une question de captation de l'argent des blancs. C'est pas évident que les populations qu'on empêche aujourd'hui de partir, qu'ils puissent voir la couleur de cet argent-là. Déjà, danger? Mhm. déjà laissez-moi finir. Déjà, il y a quand même au niveau de la jeunesse une pauvreté pratiquement, je ne peux même pas, je sais même pas, l'ampleur de la pauvreté est là. Et ça crée des problèmes. Les gens ne peuvent pas, à un certain âge, il faut aller se chercher. Non seulement il y en a qui n'ont pas une formation en tout cas qualifiante qui, peut, qui, qui puisse leur permettre de trouver de l'argent, on dit la terre. La terre, on connaît les aléas climatiques dans nos pays, en tout cas surtout dans les pays sahéliens. Voilà, on veut coûte que coûte, faire plaisir. Moi, j'ai dit cette politique-là, ça vise tout simplement à faire plaisir aux Occidentaux, à l'Union européenne. Alors, quels sont les, risques peut-être euh, auxquels s'expose, euh, euh sais pas, la région ou quelles sont les conséquences euh, les gens qui décident de, s'en aller là, ils sont conscients des risques. Je ne parlais pas des gens qui décident de s'en aller, des, conséquences par exemple du fait qu'on veut, coûte que coûte lutter, freiner cette migration. Oui, mais le problème c'est que ça va encore amplifier la pauvreté dans les villages. Ces gens qui vont, en Algérie, en Libye, l'argent qu'ils captent là, ce n'est pas pour dépenser pour eux-mêmes. Ils reviennent où ils envoient de l'argent. Et ça permet aux familles qui sont restées sur place de pouvoir survivre. Voilà un peu l'enjeu. Moi, j'ai dit c'est le principal enjeu parce que c'est beaucoup d'argent qu'il faut revenir au pays. Et cet argent, ça permet de, mettre en place au niveau des familles des mécanismes de survie qui sont là et qui vont rester et qui vont peut-être consolider un peu la situation de ces familles. allez-y. Dès que tu vois un jeune eh, qui veut quitter son pays pour aller quelque part, sachant, il sait pertinemment que eh, le, danger est énorme parce qu'on nous montre chaque fois eh, ces, bateaux qui, coulent dans, la mer, ces gens qui sont arrêtés, ces enfants même qui sont, qui sont décédés. En parlant de la captation de l'argent de blanc, je me rappelle une fois le président de la République avait reçu, je ne sais pas, c'est un responsable d'un pays européen ils avaient parlé d'une enveloppe pour lutter contre euh, cette pratique. Il faut un milliard de dollars ou plus. Et les pays européens ont dit qu'ils ne peuvent donner que entre 100, euh, millions à 200 millions de dollars. Vous voyez, je suis entièrement d'accord avec euh, le grand frère qui disait que c'est juste pour capter l'argent de blanc. Maintenant, avec l'orgueil ou l'arrogance qui caractérise certains de nos dirigeants, il faut montrer qu'on peut lutter, que le Niger peut lutter. Alors que quelqu'un qui veut aller en migration, il sait déjà les dangers qu'il court, il est prêt à mourir. Donc, si tu l'arrêtes, ce n'est pas un problème. Lui, ce qu'il veut, c'est de partir. Et le fait de l'arrêter ne l'empêche pas de, de retenter encore l'expérience. Alors, autre trajet des migrants, la frontière nigéro-libyenne, selon RFI, le ministre de l'Intérieur italien déclare, je cite, La route des Balkans a connu en 2016 une réduction des flux migratoires de 86%, tandis que la Méditerranée a vu augmenter de 18% le nombre de migrants. Quelle analyse faites-vous de ces pourcentages euh, Je m'adresse à vous, à Rémi Abba journaliste à la radio au journal Alternative. Écoutez, euh, il faut se le dire, c'est impossible n'est-ce pas, d'arrêter complètement la migration. On va beau bloquer euh, une voie, un passage, les migrants vont trouver un autre passage. Le problème qu'il faut résoudre, c'est les dirigeants africains qui doivent se résoudre à donner de l'emploi, à améliorer les conditions de vie de leur population. La migration, avant, pour partir, les, les Sénégalais partaient à partir des ports des, côtes sénégalaises, et les autres ressortissants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale partaient à partir des côtes mauritaniennes. Aujourd'hui, euh, ces côtes-là, euh, l'Espagne et l'Union européenne sont parvenus à les bloquer, mais les gens euh, euh, ont découvert la voie du Mali. La guerre a éclaté au Mali, les gens se sont rabattus sur le Niger. Et bien sûr, je peux même dire euh, que quand la voie du Niger sera bloquée, la voie, ça sera le Tchad, sinon le Soudan. Les gens trouveront toujours les moyens de partir. J'ai entendu que l'Allemagne exigerait une mission à la frontière entre le Niger et, et le Mali pour pouvoir contrôler, prendre des dispositions. Il n'y a pas de disposition qui vaille On a empêché la population, aux jeunes d'Agadez de les transporter. Aujourd'hui, les gens qui transportent les migrants, ils viennent de la Libye avec leurs 4x4, ils les prennent et ils contournent Agadez pour partir. Donc c'est impossible d'arrêter tant que le problème que nous connaissons tous n'est pas résolu. Le président du Front pour la restauration et, de la, et, la, démocratie et la défense de la République, alliance des partis de l'opposition, Amadou Jibo Dimax, a été interpellé le 14 mai 2017 à l'aube par la police judiciaire. Amadou Jibo a passé sa première nuit en prison, la nuit d'hier à aujourd'hui. Il sera jugé en flagrant délit pour incitation à la révolte. Pour avoir tenu des propos violents à l'endroit du pouvoir en place, Amadou Jibo Dimax a été accusé d'avoir fait des propositions pour détruire ou changer un régime constitutionnel et inciter les citoyens ou les populations à s'armer contre l'autorité de l'État. Accusation contestée par ses soutiens. Les dirigeants de l'Alliance FRDDR ont rendu publique une déclaration lundi dernier. Voici un extrait lu par Falke Bacharou, membre du Front. Il est au micro de Habibou Garba des éléments de la police judiciaire ont procédé à l'arrestation à son domicile et sans mandat de Alhaji Amadou Jebo Ali, président du FRDDR, l'opposition politique nigérienne. Cette énième arrestation intervient 24 heures à peine après celle de M. Abraham Insar, acteur bien connu de la société civile à Agadez pour des motifs aussi imaginaires. À l'évidence, les avertissements de l'opposition prenant à témoin le peuple du Niger et la communauté internationale de la l'amorce de la dérive fasciste du régime se sont accomplis aujourd'hui. Les effets de la confiscation du pouvoir sont patents. Le FRDDR exige la libération du président du FRDDR, Alhaji Jubo Ali, et de toutes les personnes injustement incarcérées. Pour recueillir par Bibou Garba, alors Ousseni euh, Issa Jibo, journaliste indépendant. Que pensez-vous de ces motifs Il sera jugé en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il va comparaître euh, rapidement afin qu'il soit jugé mardi prochain. Oui, mais effectivement, moi, ça m'a pas surpris <laughs> au regard de ceux que je connais, de ceux-là qui sont actuellement aux affaires. C'est-à-dire, ils ont une paranoïa. Et chaque fois que <laughs> des acteurs qui ne sont pas d'accord avec eux essaient de, de résister, on a vite fait de trouver quelque chose à leur coller pour les prendre et les jeter en prison. Ce pas des accusations fondées. Non, non, non. Moi, je suis désolé, mais on a vu euh, en décembre 2015, on s'est levé un bon matin, sur le président en personne qui annonce qu'il y a tentative de coup d'État qui a été déjouée. On a pris des civils, des acteurs politiques proches de l'opposition, d'un président de l'opposition, on les jette en prison pendant 15 mois, on les libère. Sans jugement, ah, ben, il y a eu le jugement, mais on dit non-lieu. Non-lieu, le juge a considéré que c'est non-lieu. Moi, j'ai dit, on ne gère pas un pays comme ça. Quand on a des problèmes, il faut prendre les problèmes après le corps la Constitution est là, c'est la Constitution qui garantit un certain nombre de droits, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifestation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que toutes ces libertés-là sont quelque part menacées. Alors, alors, on va arriver à la menace de cette liberté, on poursuivra. ça, ça, ça, va dans le même sens, ça va dans le même sens, parce que c'est à l'occasion, je crois, d'une rencontre, d'une manifestation de parti, d'un parti politique l'anniversaire, il a eu à dire, voilà, on dit, ah, veulent inciter à, comment, à la sédition, à la violence et tout et tout. Non, mais c'est terrible, c'est inimaginable. On veut nous amener où Que même ta voix, même ta parole, tu ne peux pas parler pour dire que tu n'es pas d'accord avec la façon dont le pays est géré. Alors, il faut bien dans une démocratie que les gens puissent s'exprimer librement. Mais malheureusement, on veut même empêcher aux gens de s'exprimer. Même cette possibilité de parole-là tant que ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent, il faut, il, faut, il, faut, il faut faire taire tout le monde. Alors, une autre réaction, selon RFI, l'ancien bâtonnier Marc Le Bihan n'est pas convaincu de ces accusations. Il parle de tâtonnement euh, juridique. Il rappelle que la justice a en premier lieu eu à présenter l'article 100 qui parle de, provocation à, à attouplement non armé. Ensuite, la théorie de l'attentat, l'article 78 qui lui prévaut un emprisonnement à vie pour finalement revenir à l'article 79 alinéa 4 qui lui parle d'une proposition de, complot non, non agréé. Que pensez-vous euh, de, ce tâtonnement entre guillemets Je pense, Marie, que ce régime a compris que la face à lui est une opposition entre griffes lâche en perte de, de réelle politique pour accéder au pouvoir d'une société civile qui n'a de société civile que de nom pour divertir les gens. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, où sont les affaires africaines Où sont les affaires de 200 milliards Moi, je, crois, qu'ils prennent ce qu'on dit est, en train de, d'être euh, vérifié. Et c'est comme si on prend les citoyens nigériens pour, euh, pour des idiots, entre griffes aussi, excusez-moi de, terme. À chaque fois, on nous jette quelque chose et comme des chiens, on, tombe sur, sur l'os qui est là et on oublie ce qui s'est passé. C'est quoi et Ils savent que aujourd'hui cette opposition n'a pas de force pour inciter à un soulèvement dans ce pays. On doit vous parler donc de divertissement du gouvernement. C'est de, diversion. Ils sont en train de divertir le peuple nigérien. À chaque fois, ils donnent. Aujourd'hui, déjà, ils ont fait partir le chef de file de l'opposition qu'on n'entend plus. Aujourd'hui, il n'existe même, il n'existe que de nom. Et l'autre leader politique de l'opposition, Momon Ousmane, s'il, avait quelque chose aussi pour l'arrêter, il l'aurait fait comme lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas il est là tranquille chez lui. Aujourd'hui, Max, qui est le président de, de, ce groupement d'alliance, c'est le, peut-être le seul intellectuel qui a quelque chose pour dire, qui sait dire ce qu'il a à dire, il faut l'arrêter, il faut l'empêcher de parler et en face, il n'y aura rien. Donc, il n'y aura ni société civile, ni eh, opposition. La presse aussi, et la presse critique, elle n'existe aussi que de nom. Bref, on est face à, un euh, régime je ne dirais pas fasciste, mais dictatorial, qui impose ce qu'il veut et maintenant, quitte à, ce qu'on pille l'État, quitte à ce que la s'installe dans le pays, quitte à ce qu'il y ait des affaires comme les 200 milliards euh, de... Oui, quitte à ce qu'il y ait aussi l'affaire africaine, maintenant personne ne va parler, ils vont faire leur 50 euh, ans tranquille et rien ne va se passer au grand dam de la population du Alors, euh, Abba Arimi euh, de la radio et du journal euh, Alternative, à Agadez, un autre cas similaire a été enregistré dans la nuit du 13 au 14 mai, aux environs de 2 heures du matin. La police a interpellé un SAR secrétaire Abdraman Insar, secrétaire à la communication du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme région d'Agadez, ONG spécialisée dans la défense des droits de l'homme. Nous allons vous donner juste quelques secondes pour euh, écouter une réaction. Ensuite, vous allez à euh, Barmi euh, rebondir sur, réagir sur cette question. Donc, il a été interpellé aux environs de 2 heures du matin et la police est venue le, prendre sans mandat, pas chez lui, dans un lieu public. nous estimons que vraiment il y a violation des droits de l'homme en l'occurrence. Et pire, euh, nous apprenons qu'il a été arrêté pour euh, incitation à la violence. Actuellement, il est à la police. Nous lui avions demandé spécifiquement, il nous a précisé qu'on ne lui a pas dit qu'il est en garde à vue et pourtant il est euh, au niveau de la police gardée. Vous venez d'entendre Rachid Kolo, président du, cadre Agadez. Il commentait la raison invoquée par l'arrestation de son collègue Abba Arimi. Vous avez la parole. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans notre pays. Euh, d'abord, c'est la police qui se présente et toujours on dit que c'est sa mandat. Euh, peut-être que à ceux-là, on va leur signifier pourquoi ces arrestations-là se déroulent toujours à l'aube et sans mandat. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment euh, la nouveauté. Et je ne sais pas à quoi ça rime, mais c'est grave parce que, comme Hussein a eu à le souligner, beaucoup d'affaires euh, se sont déroulées. À chaque fois, il n'y a personne euh, qui est finalement condamné, c'est pour non-lieu, on libère. Au euh, a rappelé deux cas, mais aussi je sais que euh, le secrétaire général de l'Alternative, lui a été même accusé d'être euh, en connivence avec Boko Haram et tout, et il a été libéré finalement. Euh, sans preuve, sans quoi que ce soit, le moment venu, on te libère. Voilà. Alors, les conséquences de toutes ces arrestations en si peu de temps Mais écoutez, ce qui peut se produire, c'est que d'abord, un, les gens risquent de, finir par, finir de de, ne plus avoir peur d'être arrêtés et on n'aura plus qui on saura plus qui est arrêté pour des motifs vraiment fondés et qui ne l'est pas, qui l'est pour des motifs euh, infondés. Finalement, pour avoir parlé parce que nous, on est, on est des journalistes. Conséquence pour la liberté d'expression oh, Sincèrement, ça, pose trop de problèmes. Est-ce qu'on n'est pas plus proche aujourd'hui des, des, terroristes qui, eux, ont l'armement et tout, tirent explosent, mais s'en prennent aux gens parce que justement ils ont la liberté d'expression. Est-ce que on n'a pas une tournure où euh, au lieu d'encourager la liberté d'expression, on est en train plutôt d'encourager les gens à chercher d'autres solutions. Pour accompagner le programme de lutte contre les éléments de Boko Haram, l'État en collaboration avec l'Université de Difa a organisé du 15 au 17 mai un symposium international. Le thème déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram. D'éminents conférenciers venus de tous les coins de la planète y ont participé. Grima Mustafa, vice-recteur de l'Université de Difa, euh, donne des détails sur les thématiques qui ont été développées au cours de cette rencontre. Il est au micro d'Adam Babokarna. L'axe 1, nous-mêmes, comment nous gérons localement les conflits. Donc, c'est voir avec les oulémas comment ils euh, résolvent les conflits, avec les femmes, les jeunes, les religieux, les chefs traditionnels. En deuxième axe, on va voir l'échange d'expériences entre les pays du bassin du lac Tchad qui ont les mêmes problèmes, le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Donc leur stratégie de déradicalisation et de réinsertion. On a demandé au Mali aussi d'y être pour partager son expérience de déradicalisation et de réinsertion. Là, il y aura l'axe 3 qui va parler de justice transitionnelle. Il y a des jeunes qui reviennent, donc on s'est dit, il faut tendre la main à ces jeunes et tendre la main à d'autres jeunes qui veulent encore revenir. Et maintenant, le L'objectif, c'est partager les cas de violence qu'il y a eu un peu partout, en Afrique du Sud, au Rwanda, en Sierra Leone, en Libéria, en Colombie, en Afghanistan, et montrer aux populations de Difa. Ailleurs, il y a eu des cas comme ça. Mais les gens sont revenus sur la table et ils vivent aujourd'hui en paix. Maintenant, le quatrième axe, c'est l'axe de relèvement et de développement de la région. Comment développer cette région pour donner du travail aux jeunes et les fixer et leur éviter d'aller dans des aventures euh, au lendemain incertain. Popo recueillir par Adam Babou euh, il Sajibo, journaliste euh, indépendant, ce symposium dans un, tel contexte, euh, comment le percevez-vous D'abord, moi, je ne suis pas avec le terme de radicalisation. Parce que ça correspond à rien pour moi. Ce terme-là, c'est un terme qui a été emprunté avec les Occidentaux qui pensent que voilà, des marginaux se sont radicalisés, qui pratiquent l'islam là-bas parce que c'est toujours un lien avec l'islam l'islam n'est pas une religion de violence, c'est une religion de paix. C'est à quoi on a assisté dans la région de Difa que je connais pour avoir vécu pendant des années. C'est parce que tout simplement, il y a eu un délaissement. C'est-à-dire, si la région a été pratiquement abandonnée, personne ne voulait aller servir là-bas pendant des années et des années. Il y a eu d'abord un premier déclic, je crois, en 2011, où par rapport au recrutement au niveau de la CNPC, on n'a pas voulu recruter des, sociétés de placement venir recruter dans d'autres régions pour amener pendant qu'il y a des jeunes gens qui sont là-bas, qui sont assis, qui n'avaient pas les possibilités d'emploi, qui n'avaient aucune perspective. Mais bien évidemment, la seule perspective, c'est aller à Damasak, c'est aller à Jib, c'est aller, à, à, comment ça s'appelle, Maïdougouri, pour faire un petit commerce et tout et tout. Voilà comment le phénomène s'est développé et les gens ont continué à regarder. Aujourd'hui, on dit on va déradicaliser. Déradicaliser qui c'est la pauvreté qui a poussé les gens, parce que tout simplement, ces gens qui venaient faire les recrutements, ils proposaient de l'argent. Et ils payaient de l'argent à la fin de chaque mois. Voilà un peu tout le problème. Mais tout ça là, c'est pour, moi je pense, on a pris de l'argent, on a mis parce qu'il fallait mettre de l'argent dans une activité et puis ça va profiter à des gens. Alors, d'un droit journaliste indépendant, est-ce que les populations qui ont vécu euh, ces atrocités pourront réapprendre à, vivre avec les, éléments euh, répandus de Boko Haram? mais ce sont leurs enfants, ce sont leurs frères, ce sont leurs, euh, leurs maris. Arimi est là pour, pour me contredire si, si, je ne dis pas la vérité, lui qui est de la région. Récemment, j'étais, il y a, je crois, dix jours ou deux semaines, moi j'étais de la région, j'étais même à Difa. Et ce monsieur a dit quelque chose, trouver du travail aux jeunes. Donc je fais le lien avec aussi cette histoire de migration c'est presque le même, c'est très lié, c'est le même problème qu'il y a. Les gens ont été délaissés, surtout les jeunes ou les enfants, ils n'ont aucun travail. Il faut à 25 ans ou à 30 ans que tu te réveilles un matin pour aller dire à ton père, donne-moi 100 francs, donne-moi 200 francs. Imaginez, tu te dis que, bon, écoute, je ne me reconnais plus dans cet état qui est censé me protéger, qui est censé me trouver de l'emploi, qui est censé me, me, faire ci ou ça. Ah, attendez, dès que je trouve eh, quelque chose, il faut que je profite pour pouvoir. Parce que le but, c'est quoi C'est de trouver quelque chose pour aider sa famille, pour aider sa femme, pour aider ses enfants. Alors, cette cohabitation sera facile pour, pour, mais attends, la cohabitation sera facile avec ton enfant, même s'il a été. Et, puisque si on dit qu'il faut déradicaliser, c'est qu'ils ont été radicalisés. Et je ne pense pas qu'ils ont été radicalisés. Les gens ont, vu que c'était peut-être le moyen facile, s'ils l'ont été. Aujourd'hui, maintenant, on, crée ces forums, on crée ces symposiums pour permettre aux gens de, de, s'enrichir. Et les Blancs, ils pensent que les Blancs sont bêtes, ils, sont, ils viennent, ils donnent de l'argent. Non, non, non, ils ne sont pas bêtes, ils sont malins aussi. Maintenant, les gens pensent qu'ils peuvent aller se remplir le poche et c'est toujours cela malheureusement. Hier jeudi, des discussions ont tourné court entre les syndicats enseignants, d'enseignants et un comité élargi comprenant le Premier ministre, l'intersyndical des travailleurs du Niger et plusieurs autres partenaires de l'éducation qui ont rencontré eh, les leaders euh, syndicaux pour tenter de désamorcer la crise qui secoue le secteur de l'éducation. La question du recrutement et celle de l'évaluation sont des points de désaccord. Quels sont vos avis sur cette longue panne de dialogue à, un tournant de la fin de l'année scolaire 2016-2017 Arimi Abba, journaliste à la radio au journal Alternative. Oui, ben, j'avais bien voulu parler euh, au sujet euh, par rapport au thème précédent. Mais le temps ne nous permet pas la prochaine le temps fois, ne nous permet pas, Inch'Allah. Mais euh, la question de l'éducation, je crois qu'on a eu à le dire euh, une fois encore, euh, c'est une question primordiale. Dis-moi quelle est ta politique de l'éducation, je te dirai où est-ce que tu veux aller. sincèrement, moi je pense que il n'y a pas une volonté de l'État de résoudre ce problème-là comme il se doit. Euh, la question de recrutement, la question euh, quoi de mise en solde et autres que les, les, les, les enseignants posent, c'est ce n'est pas des problèmes à négocier ou tu peux les résoudre ou pas. Des personnes ont été recrutées, ils ne sont pas payés, ils travaillent depuis neuf mois. Des personnes euh, qui sont en train de travailler depuis euh, des années, on ne veut pas les prendre alors que l'État a pris des engagements euh, pour les recruter au fur et à mesure. Est-ce que c'est négociable, sincèrement Est-ce qu'on se soucie de l'avenir de ces enfants-là Parce que nous, bon, aujourd'hui c'est clair et au niveau de la population et au niveau de la classe moyenne. Les gens ne prennent pas au sérieux la question de l'éducation parce que ils n'ont pas d'enfant là-dedans, en fait. C'est ça leur problème. Après avoir été investi le 14 mai, Emmanuel Macron a désigné le, a désigné le lendemain Édouard Philippe comme Premier ministre et la composition complète du nouveau gouvernement français est tombée mercredi dernier. 18 ministres et 4 secrétaires d'État ont été nommés. Le gouvernement est strictement paritaire avec 11 femmes, 11 hommes, 22 ou 23 y compris le Premier ministre. Comment voyez-vous la taille de ce gouvernement Ouseni Issa journaliste indépendant. je veux dire tout simplement une chose par rapport à la taille du gouvernement, c'est que ça doit servir de modèle à nos États là. La France est quand même classée dans le dernier euh, rapport 22e. La France est classée 22e dans le rapport de développement humain du PNUD. La France considère, les autorités françaises, peuvent, considèrent qu'ils peuvent travailler avec 18 ministres. Comparé euh, au gouvernement nigérian, nigérien, 40. on a un gouvernement plutôt de 43 membres. Ça, c'est les gens qui ont portefeuille. Maintenant, tous ceux qui sont dans les allées de la présidence, là, on ne sait même pas le nom. Avec 32 ministres. On ne sait même pas le nom. C'est seulement ils n'ont pas de portefeuille. Et on est pauvre. Ils sont chaque année en train de nous appuyer en aide budgétaire. Alors, Roufaï Dandoua, il y a aussi la question de la parité qui est respectée. Est-ce un exemple pour le Niger qui a du mal à parvenir à l'effectivité de la loi sur euh, le quota J'ai l'impression que c'est ça qui, qui, vous intéresse, Marie, la, parité. moi, non, j'ai un souci de temps. Je, <laughs> la page partie. oui, j'ai toujours dit que c'est... Moi, moi, je ne crois pas en cette loi sur le quota. Non, non. Et si tu mérites quelque chose, il faut te donner la place, que tu sois homme homme ou femmes. Et cette loi au Niger, il faut l'abroger. Si une femme mérite d'être ministre, il faut lui donner le poste. Si un homme mérite le poste, il faut qu'on lui donne une femme comme un homme peut travailler euh, la preuve, et Macron a, donné le poste du ministre euh, des armées, ce n'est pas de la défense, ministre des armées à une mhm. femme, c'est qu'il pense qu'elle a les compétences, qu'elle peut le, le faire. La culture à une femme, le sport à une femme, la santé à une femme, c'est qu'il pense qu'ils peuvent le faire. Je, pense qu'on eh, n'a pas besoin de copier X ou Y si on pense qu'il y a des dames, mais si vous allez rester ici au Niger à la, traîne, vous n'aurez jamais dit ministère dans le gouvernement du Niger. Alors, Abba Arimi, euh, est-ce ici la question de la capacité des femmes euh, en France, des femmes politiciennes en France Comment Est-ce qu'ici on peut dire que c'est ah, la question de la capacité des femmes Ils ont franchi un seuil. Nous, nous avons le problème de l'éducation de la jeune fille. C'est à zéro là-bas. Ils n'ont pas ce problème-là. Que ce soit une fille ou un garçon, il ira à l'école. Donc eux, ils ont certainement transcendé. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que nous avons euh, un déficit un cadre féminin, il ne faut pas se le cacher. Mais moi, qu'il y ait que, toutes les euh, que tous les 41 postes de ministre soient occupés par des femmes, 43, 43 mais 43, c'est ah. vrai. ça, on ne peut plus compter en fait. <laughs> Euh, oh, pas, pas, moi, ça ne me générait pas, ce n'est pas un problème. Mais le problème qu'il faut résoudre, c'est d'abord le problème de la femme journaliste, le problème de la femme rurale, le problème de la femme tout court qu'il faut résoudre. Le reste suivra. Ce n'est pas un problème de poste le problème de, la femme que nous avons dans notre société. Alors parlons en sport euh, maintenant. L'actualité du sport de ce forum est le début cette semaine au Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Niger a fait un match nul face à l'Angola et s'est incliné hier 2-1 face au Mali. Comment voyez-vous les performances du MENA, Kadé, Ousseini, euh, moi, je n'ai pas suivi parce que <laughs> je ne suis pas sur ce domaine-là, je vous l'ai dit. Je pense qu'il y a les deux spécialistes qui sont là. Je préfère c'est pas grave. Alors donc, euh, euh Dandoua, <clears throat> comment voyez-vous les performances du MENA très rapidement Je dois d'abord euh, dire que c'est regrettable que encore euh, la chaîne nationale ne diffuse pas. On est obligé de se rabattre sur d'autres chaînes nationales pour regarder ces matchs et on ne peut même pas nous diffuser les matchs des Nigériens. Mais je, pour revenir sur le sujet, je pense que je n'ai pas été convaincu par euh, les cadets nigériens. la preuve, ils ont, leur premier match 2-2, ils menaient 2-0 à la mi-temps, ils sont revenus, ils ont encaissé deux buts bêtes, évitables peut-être, ils ont fait nul. Aujourd'hui, hier, ils ont perdu 2-1, ce qui compromet presque leur chance parce qu'en face, il y aura la Tanzanie qui semble être la meilleure équipe de la poule du Niger qui a battu aussi de l'autre côté et, l'Angola 2 buts à 1. Qu'est-ce qui explique, explique cela Un manque de préparation ou un manque de soutien. Vous savez, vous savez, et le problème, du football du Niger ne se discute pas en deux minutes et c'est un problème profond. Peut-être avec euh, les élections à la FENIFOOT, du président de la foot, on va poser le vrai débat pour connaître le vrai problème du football nigérien. Mais je vous assure qu'il y a un malaise profond. Alors, euh, Abba Arimi, on termine avec vous. Quelle sera la suite du tournoi pour le, 11 euh, nigérien Écoutez, il y a une petite chance encore de se qualifier il faut que le MENA gagne, largement la Tanzanie, obligatoirement. Euh, et il faut que de l'autre côté, le Mali euh, gagne euh, l'Angola. Or, le Mali n'a plus euh, de pression. Donc c'est cela qu'il faut euh, retenir. L'espoir est permis. L'espoir, euh, écoutez, c'est permis et c'est notre souhait à tous parce que c'est de l'équipe nationale qu'il s'agit. Mais vous l'avez, vous avez touché vraiment le malaise de cette équipe-là de, de, de doigt. C'est une équipe qui n'a pas été, à mon sens, très bien préparée. C'est une équipe dont la sélection ne m'a pas convaincu du tout et c'est une équipe quand même victime d'une mauvaise gestion de la Foot parce que tout simplement euh, c'est une équipe où les joueurs n'ont même pas touché une Alors fidèles auditeurs, euh, merci, merci à vous chers confrères Roufaï Dandoa, journaliste indépendant, Rémi Abakari, journaliste à la radio et au journal alternative, Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci à tous d'être restés au rendez-vous.